d'autres depuis euh, yëf yi mi ngi commencé viral nag. Mhm. entre li nga xamné que modi le retour rapatriement du président. Mhm. waye tam ak euh, benn li nga xamné que modi di émise de mandataire international. Mhm. ban commentaire nga si def exactement. Euh, euh, mandataire international à l'endroit de qui. du Macky Sall. du Macky Sall d'après Boubacar Seye loolu lay daal di bien tamit ay organisation jàpp nañ fi situation bi toll ni Macky Sall mënu woon quitter li nga xamné que modi réew mi et waruñu ko bàyyi mu dal di dem bon euh, man côté boobu li ma jàpp mooy. Hmm. Euh, un président d'un d'un un pays président de ak ku muñ ci doon da fam représenter ci pays bi gis nga da ngay comme des civilisations comme les Américains le président parfois dañuy commettre ay erreurs extraordinaires mais le traitement de l'information tout du monde lak ni traiter information bu une autre personne bien avec transparent dafa am gis nañ le cas de euh, comment dirais-je euh, pas Biden euh, le cas de l'autre là l'ancien président donc aux États-Unis ah, l'ancien président aujourd'hui qui a des procès donc en à donc mm, mm, mm. Euh, le nom m'échappe là, <laughs> ouais, ça, ça, ça m'échappe. Mais quand même, nous avons nous traitons l'information par rapport à leurs anciens présidents. Beaucoup de ça, nous traitons l'information concernant le Sénégal. Que ce soit Mouy Boubacar qui l'a dit ou bien Mouy Koumounti donne. Aujourd'hui, ce qu'on a plus besoin, hmm. c'est de reconstruire ce pays-là. Que Yo poursuites, à la limite, du homme fait un forum de Nefomoudjo. Ce que nous devons ils ont voté une loi d'amnistie sur quoi s'est basée cette loi d'amnistie ba la. réconciliation nationale et pourtant nous avons la loi d'amnistie est-ce que nous avons la hmm, loi d'amnistie hmm. il faudra que ces faits Nous mun vider d'abord Si nous ba ñu ni fait bi ni les responsabilités situé wu ba ñëpp xam ne affaire bi fii la tolloon nii lañ defee responsable Qui moo ci am responsable Qui amu le responsable ba lépp leer ba tribunal jàpp ni dossier bi clos nañ ko bu sogo la loi d'amnistie mais yow on n'a pas encore situé les responsabilités ni fi dee ñëpp kenn xamu ko moo leen rey si dëkk bu toll ni Sénégal. Hmm. du dëkk bu ngand képp kuñ fi ray won nañu xam kam mo la ray les enquêtes ne sont pas achevées ñi nga xam tej nañ leen ci prison bi yàq seen vie yàq seen àdduna ba seen intégration sociale lu jafe la parce que li ñu dul jàpp mooy ñi tëj ñu siiw ñi kese la gaa yi xam hmm. mais am na ñoo xam xamuñu leen seen kër yàqu na ci seen dund yàqu na ci am na ñoo xam ils ont perdu la tête. Nous, nous ñu xëy nous ne dañ balayer carrément d'un revers de main parce que tout simplement dañuy voter une loi d'amnistie amnistie pour euh, mm. notre mm. amnistie pour qui amnistie pour quoi faire tant que les choses n'ont pas été vidées on ne peut pas parler de loi d'amnistie et aujourd'hui nous devons suñu ko sur loi d'amnistie et on veut nous faire croire que le président ne devait pas quitter ce pays là

ma ne Sénégal ñun dañu ñoo yar ba xamantuñu ñun suñu lu ñu ak lu ñu moomut ba néegi jéggi passage clouté piéton si tali luxe lay doon oto bi may du la may. Hmm. même regard par rapport à nos dirigeants c'est-à-dire que ñuy dirigeants à dire travaillent pour nous mais nous on les regarde autrement nañu suñu ay boss pas le contraire yow yaay fay nit ki ba peut diko ko xoolee boss motax ñom aussi lañ lañ jox rek dañ ñuy dello hmm. moy dañ ñu xoolee ay bëtu sujet xoolee wuñu ñu nawlé c'est ça la réalité en fait ça dit que nous nous sommes pas exigeants par rapport à nos dirigeants fi ban journaliste mo sañ taxaw wo ben ministre ne ko dama la bëgg invité diko confronter. Bon woowee ministre li une de communication on va ko un protocole il faut faire ceci il faut entrer dans ça mais comme si le ministre n'a pas le droit d'éclaircir la lanterne des Sénégalais sur son secteur d'activité. protocole Si le ministre lay a gis ci plateau plateau politique des plateaux techniques les ministres n'y vont jamais mës nga fay gis un ministre qui xam dem na plateau technique un fa politique mais on parle de l'aspect technique de son ministère et pourtant au vu au regard de tout le monde qu'elle du ci wax parce que le normal. Hmm. le ministre buy dem ay un mbokam sax ben auto la ak benen auto mot xamanteni ay visite ñoo ci protocole bo xam la question ni lan la def autour du ministre lan moy sen métier te nañ ci fonction bu un ça veut dire qu'on doit se poser réellement les questions qu'est-ce que nous nous, est-ce que nous, prenons nous pour le changement. mais il y a des services digitales. mais ah, ça, dire <laughs> cest euh, le président euh, euh, ben- Bentelap mais en fait Bentelap Bentelap quel que soit Alpha mais c'est quelqu'un boo xamante lu ci mais c'est quelqu'un bu xam domaine bi aussi. Hmm, technologie. tu vois un peu. Hmm. parce quau delà de, son appartenance à Pastef moi je le connais bien avant on a eu à partager certaines choses donc c'est quelqu'un qui a maintenu au moins le domaine bi bon je ne sais pas si c'est un secret ou pas mais je pense qu'il a une structure avant qui travaille dans ça donc ça n'a rien à voir en fait Avec au niveau de certains ministres. On, Génération 2.0. cest on, dit, on dirait que. Oui. askan Facebook TikTok. cest à du gouvernement euh, la communication d'un ministère la communication d'un ministère. c'est un ensemble. ok bu ñu ensemble. Hmm. l'aspect digital de siy l'aspect digital nous on n'a pas besoin de voir le ministre mais les faits du ministre. ok c'est-à-dire gars yi en fait même bon niveau au niveau des, comment dirais-je euh, de la page. Hmm. Facebook Instagram ou bien Twitter ou bien X autant pour moi euh, d'un ministère mais il y a que les photos du ministre. Rarement vous voyez des ateliers, rarement vous voyez, mais il n'y a que des albums photographiques. Ça dit que le ministre se met en mannequin en quelque sorte. Des Ouais, shooting, je ne sais pas. Ça dit que le nous ne pas changer, Parce que boo rombee ñu lay aduler boo rombee te ñu lay tàccu boo rombee ñu lay def yenn yi nga gis sa bopp yàlla moo ko wax nit dafa gaaw a beew Europe la moo tax ministre sañu ko fa d'abord oto bi ñu ne njëkk a jox moo la njëkk a tuutil mais noonu les voitures de nos ministres là est-ce que sañ nañ ko dawal en Europe. Hmm. les ministres qui se baladent en transport en commun est sañ nañ ko. Hmm. même au niveau des bâtiments tay jii buñu ñu bâtiment bi ministère mo fi laqatu ni tu te poses la question France nan lañ def ba am ministère si bâtiment yu yu ndaw yi bâtiment yo xamanteni amul ben esthétique derrière ci si biti quoi façade bi tay jii nga dugg ministère pour tek beut ministre bi tout un problème au Sénégal au niveau des directions les ñi fal direction pour ñu dem direction c'est tout un problème. alors c'est clair te loolu il n'est indi mooy ñun population ba tey conception que ces gens là travaillent pour nous mm. on les paye avec l'argent du contribuable yow lañuy dag dagg impôt dagg ma impôt dabb keneen impôt ñun ñoo nek circulation circulation de dañuy xawa ray. Ñom buñ ñowé ñu ñëwee la ñoon bi ñu dem yow ki ngay fay nak am nga droit ne ko mm. li nga ma lay fay nangamay ndigey lu mu tollu. Mm. alors c'est clair exactement euh, on se quitte avec justement peut-être euh, probable dissolution de assemblée nationale suppression de 16 ak bu li nga xam modi peut-être assemblée bi sun ko dissoudre septembre risque de continuer avec le budget 1-1. Madame, vous duñ voter voter li nga xam ne euh, budget bu bees bi li nga mm-hmm. octobre est-ce que vous euh, pouvez ko li nga modi dissoudre wala ko nga japp ni budget bi ba en octobre bon on ne peut pas dire voter budget le budget a été déjà voté. Le New York, la loi de finances rectificative. Ça dit à dire que loi de finances rectificative c'est impératif que nous nous dugal ko côté. C'est l'ordre normal des choses maintenant blocage bi l'Assemblée nationale, ensemble politiquement lui am mais normalement normalement ça ne doit pas exister. politiquement politiquement ils font de la politique hmm. entre eux. entre euh, euh, c'est de la politique mais su fekkee ni yow élu la boo xamante ni. Mm. population moo la fi teg. nga war superviser l' gouvernementale am régime bu bees bu ñëw même par élégance mm. bu ne day voter une loi de finances rectificative pour mën dérouler moom sa vision. war nga ko mën nangul. alors merci maintenant la dissolution c'est indélébile aussi. Il faudrait que le pouvoir puisse avoir la majorité pour pouvoir faire passer ces lois de finances aussi. Ça aussi, c'est quelque chose de normal. Alors, merci beaucoup. Nous l'avons fait pour voir, voir, voir, justement. Mm-hmm. Euh, Babacar Gaye, si l'on a dit que nous avons dit, avant de solo, nous avons avec l'ensemble de notre citateur. Merci beaucoup à vous, Fallou. Je suis content de vous voir, voir, si débat. Euh, peut-être prochainement, nous finissons pour voir la monnaie la monnaie. Qui est une euh, question d'actualité. Et qu'il faudra nous coulure carrément ce chapitre de la mm, monnaie là mm, aussi, mm. parce que ça part dans tous les peut sens. Euh, peut-être pour deux minutes. <laughs> deux minutes, deux minutes, deux minutes. Vous <laughs> D'accord. Donc, pour la question de la monnaie, euh. euh, changement monétaire, le monnaie nek là. C'est possible. C'est possible, c'est bel et bien possible. Ah, C'est-à-dire, mais l'ici en bas d'estime, lañ koy waxtaanee ci place publique bi du il y a deux types de réformes yu am y a ce qu'on appelle la réforme administrative et la réforme monétaire li fi xewoon temps yële ci éco bi c'était des réformes administratives mooy euh, ki nekk ci PCA bi euh, banque centrale euh, Europe ñoo ko fa teg dafa war a jógee jëlee nañ ko fa réserve yi wartuñ kaa loger fële dugalatuñ ko fa bon yooyu yëpp ay faux débat la ce sont des réformes administratives ce sont des réformes monétaires bu ci njëkk que le taux de change gis nga dëkk soo maîtriser wu taux de change doo maîtriser tes cadrages macroéconomiques mm. doo maîtriser cette économie mm. beneen bi ce taux de change beaucoup tu ne seras pas compétitif à l'international mais la grande question qu'on doit se poser sur ce projet de la monnaie unique en termes de réserve comment on va régler ce problème là parce que les réserves sont ay devises étrangères fan ngay a ay devises étrangères pour la nouvelle monnaie nous lay wóolu ba neel tey soo bëggee importer tu es garanti par ça C'est ce qu'on appelle cette réserve là en termes de garant hmm. en devise étrangère Nigeria ak Ghana am nañ monnaie et pourtant ils ont un problème de réserve aujourd'hui hmm. donc tant de questions yoo xamante ne nañ ko xoolaat ba pare man de jours préféré ñu dekkal le projet éco de la CEDEAO c'était bien fait en tout sens éco de la CEDEAO hmm. ñu xool comment avoir une monnaie euh, de la zone nous avons une monnaie commune et dans chaque pays qu'on puisse avoir une monnaie locale man loolu que gëm Sénégal am xaalisu boppam Mali am xaalisu bopam, Guinée am xaalisu boppam ñu ne un ñun ñi à l'international bu nous échangeante éco bi li ñuy jël. Hmm. à l'international. alors je pense que hmm. pour un début voici ma position sur la question de la monnaie.